Assalamualaikum, yeen mok internet ñu ngi leen nuyu seen coach Habib la bu Rabi Fitness yeen ngi and ak seen seen bu mag bobu non di authentique pro tay nak yeen seen émission bu mag bobu non ñu tuddé tagatal sayram tagatal sayram nak tay dafa indi ay gan gan yi nga xamne dañu joggé ba France ñew di waxtaan si febar bobu nga xamne mo moo rew mi muy AVC kon AVC ngeen gis ko yow mi ko wala nga xamne da nga am mag bu kam wala dekk dëkkandoo bu kam kon nak civil leen ñun ñi ñu dem xol lan lañu suñu gan yoy indil L'ergothérapie, ça va être euh, de, la thérapie par l'activité. Et en fait, on va demander aux gens quelles sont les activités qu'ils ne peuvent pas réaliser seuls ou qui ont du mal à les réaliser suite à un handicap. Et on va les aider à retrouver l'autonomie dans cette activité au travers euh, bah, du coup de, de jeux, par exemple, euh, ou de de mise en situation. Au niveau des conseils, on va pouvoir en donner plusieurs. Déjà, euh, au Sénégal, la culture, elle fait que c'est toujours l'aidant qui va tout faire à la place euh, de la personne qui, est malade. Et du coup, nous, on conseille vraiment à la personne d'essayer de faire par elle-même, même si elle ne fait pas l'activité en entière, qu'elle fasse au moins la moitié de l'activité. Et par exemple, si une personne, je sais pas, a un AVC et qu'elle est euh, hémiplégique, donc son côté gauche ne marche plus, et ben, qu'on va essayer de rééduquer, on va lui dire d'utiliser son bras droit qui est encore sain. Et son bras gauche, et d'entraider de, d'entraider euh, ses deux bras en fait pour qu'elle réussisse à faire l'activité et pas qu'elle laisse son côté euh, qui va bien euh, ne rien faire. les conseils qu'on peut vous donner, c'est de continuer à faire même des petites choses. Parce que par exemple, si juste vous mangez tout seul, bah, vous allez travailler votre épaule. c'est vraiment des petites choses. Il faut se réjouir des petites choses. Parce que quand on est, quand on est malade, quand on a un handicap, souvent on va refuser de faire les choses parce qu'on n'arrive pas à faire l'activité de A à Z, on ne va pas réussir à faire en entier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, si on arrive à juste, par exemple, euh, accrocher trois habits quand on, accroche, on accroche euh, euh, la lessive qu'on vient de nettoyer, si on n'en accroche que trois, c'est déjà incroyable. Et ça fait travailler aussi tout le corps. Il faut rester en activité pour que le corps continue de se renforcer. Et ça va prendre du temps, mais en faisant des petites choses comme ça, petit à petit, le corps va se renforcer et vous allez pouvoir faire de plus en plus de choses. Donc il faut continuer de rester en mouvement, continuer de faire des choses. Et c'est ainsi que vous, évoluerez et vous progresserez. pour euh, conseiller les patients, par exemple, qui ont un AVC, on va d'abord euh, leur dire de se mobiliser seuls s'ils ne peuvent pas aller voir quelqu'un, de se faire des automassages pour gagner déjà de la force musculaire dans les bras et puis même de l'amplitude, par exemple, pour que, pour que le bras il aille là-haut pour, euh, pour, je sais pas, pour accrocher le linge, pour se laver ou quoi que ce soit. C'est utile d'avoir de la mobilité dans le bras. Et du coup, il faut se, faut se rééduquer comme ça, il faut gagner de la force musculaire avant de trouver des techniques pour, pour ajuster l'activité. Les Sénégalais nous ont extrêmement bien accueillis dans leur maison. Euh, on a eu quelques soucis quand même avec la langue parce que nous, on ne parle pas du tout Wolof, donc on avait besoin d'un traducteur. Donc des fois, c'est quand même compliqué euh, à comprendre, mais on, parvient toujours à, communiquer. Euh, nous, on a eu quelques petites difficultés parce que c'est complètement différent au niveau culturel de chez nous. Les habitations sont différentes, sont pas forcément adaptées au handicap euh, non plus. Il peut y avoir des marches euh, partout. Enfin, ça peut être compliqué. Mais euh, on a toujours été très bien accueillis et ils ont envie d'apprendre. Ils ont, enfin, la plupart du temps, on rencontre des gens qui ont de l'espoir, qui ont envie de faire des choses. Et donc, euh, juste nous, qu'on leur redonne confiance en eux, ça a été beaucoup pour eux. Et c'est très valorisant pour nous aussi. Et du coup, je peux donner aussi un autre conseil, ça va être de faire attention euh, pour les aidants, parce que des fois ils peuvent se faire mal au dos en aidant les patients ou quoi que ce soit et du coup il faut bien faire attention au dos, s'il faut se baisser, s'il faut porter quelqu'un, il faut bien pour se baisser, il faut plier les genoux, il ne faut pas se plier en deux au niveau du dos, il faut vraiment faire attention à la position de l'aidant pour éviter que l'aidant ensuite aient euh, ait des problèmes aussi. Pour finir, je voudrais dire que le handicap, ça peut arriver à n'importe qui, c'est pas une honte, qu'il faut se réjouir des petites choses parce que c'est difficile quand on vient en handicap de, faire euh, beaucoup de choses, donc il faut se réjouir des petites choses. Et euh, on, est, tous ensemble, ça peut arriver à n'importe qui. Et pour finir, euh, donc hum, il y a des vidéos sur Authentic Road qui donnent des conseils, donc il faut aller les suivre. ñoko ko gisandoo yéen ñëpp gis ngeen tay suñu émission tagal yaram tay xar kanam gi indi moy gis ngeen tuba bi li ngeen expliquer ci fièvre bi nga xamé mo amé AVC moy yow mi nga am amato droit tok de de ne doo def dara yow bi nga xamné da nga am sa mag bu ko am wala sa yaay bu ko am bu ko bayati mu tok baña def dara kon ñëpp dañu wara tagat tàggat seen yaram moy état bi nga tollu fièvre bi nga amé lepp lo mel rek war nga mëna tagatol sa yaram kon nak suko defé moy yow yi nga xamné am nga AVC wala yow mi nga xamné nga am handicapé bo xamné ne bëgg nga ne di defal sa bop yenn affaire yo xamné ne bëgg kenn dimbali ci dañ ñu suivre suñu émission bu mag bobu nonu di tagata sa yaram ak sen bobu bu mag bobu tuddu Authentic pro kon nak ñi ngi leen eh, ñaan ngeen abonné and ak ñun émission bi day continuer dañ leen wan ay technique yo xamné ne aussi du yem fi dañ leen wan ay conseils dañ leen wax ay conseils yo xamné ne aussi du yem fi di leen taxawa tamit wan leen ay charge wala ay ay renforcement yoo xam ne wax dëgg fa yàlla am aussi tamit du yem fii kon ñun ak yéen la affaire bi du jeex kon suivre leen seen émission boobu noonu di tàggata seeram te bu leen fàtte abonné de leen bës collège bi yéen euh, internet yi di abone kon ñun ñoo ko waxoon tey indiwaat